ci parce que nak jamono bi ñu tollu moko laaj il faut que le pays se se rassemble il faut que nit ñi joko joxante loxo quel que soit fi ñu bokk quel que soit li ñuy def quel que soit li ñu mëne ma gërëm leen bu baax ci téway bi wax ne réew mi fi mu tollu tay gannaaw ba ñu sante Yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam dañu bëggoon féliciter askanu Sénégal ci taxaway bi nga xamni taxawu depuis que la décision de reporter les élections par monsieur le président de la République avait été annoncée réew mi yëpp ñoo dajaloo booloo manko bañ ko bañ ko nangu diko xex nak chaque jour motax tay tey bala ñoo door suñu nous dañuy massaw jaale ñi nga ñak nañ ci ce sont des martyrs ce sont des héros de la démocratie sénégalaise de 2021 à maintenant combien de morts avons-nous enregistrés dans ce pays dans des luttes démocratiques du ñu def leneen xeex seen yelleef ak seen droit moo tax ñu ñàkk seen bakkan je suis sûr que ñu nga yeewoo tey aljana firdaws en tout yàlla na ko yàlla def parce que eux se sont sacrifiés pour que ñun ñu mën toog fii di wax tey te loolu ku nekk ci ñun waru ko fàtte ma ne xale yu góor yooyu xale yu jigéen yooyu mag ñooñu nga xam ne dañu ñàkk seen bakkan ba keroog bi ma nekkee fas Gueule Tapée maam góor gi njaay nga xam ni icône la ci réew mi li mu doon ci réew mi xëy na xale yi xamuñuñ ko mais képp ku xam sport ci Sénégal xam nga li maam góor gi njaay tekki ak lan la représenté dafa ñàkk bakkanam ci manifestation yoo xam ne yoonam nekku ci woon ci këram la toog grenade dugg fa rey ko comme ni grenade reyee xale boobu nekkoon ci magasin bi Mani ni ñoo ce sont des victimes Yo xam Ben benn sénégalais wulu leen faté, parce que depuis presque quatre ans maintenant que nit ñi di pour que yenn yi bañati fi ne ñooñu dañ leen di war magal fu Nyu toll ñu màggal leen yéen it leen journaliste Son sonn ngeen lool daj ngeen lu ne dund ngeen lu def nañ leen lu mais nous vous connaissons debout déterminé, constant, courageux et prêt au sacrifice pour que y askan wi xam li xew C'est une revendication pour que la démocratie soit plus donc vous journalistes merci pour tout pour les sacrifices ñu ngi leen di nous ñu ngi leen di dóor maa ngi fàttalikuwaat seen euh, consoeur bu jigéen boobu j'espère que tant bi vous na léegi lu ngeen dajul amul en tout cas le pays la patrie vous est redevable de tout ce sacrifice bi nga xam ni moom ngeen nekke moom ngeen di def ñu massawu xale yi góor arrêté parce que ce régime là je crois que s'il n'y a, pas de régime plus liberticide que ce pouvoir, li ñu sénégalais Gore jigéen ci kaso musu am am c'est unique dans les annales de ce pays xale yi ci kaso bi lu xew rek ñu tëj kaso lu xew rek ñu jàpp tëj ñu mag sacrifice de vin ils l'ont fait pour ce pays. Ils l'ont fait pour sa démocratie. Ils l'ont fait pour que la réputation de, vitrine démocratique de ce pays puisse continuer à être entretenue. pas dans la compromission mais par la lutte mais dañuy bëgg am lo xam kenn xamul ban sentiment la parce que li lepp lan la won le discours qui a annoncé le report su ngeen nous a parlé et nous na len ko le président de la République li mu référé à l'article article 42 qu'il y avait un blocage des institutions parce que ñaari institution yu mag muy assemblée nationale à conseil constitutionnel ñoo juboowul mais bu len pas. liñ doon wax aussi moy président bi juboowul ak premier ministre am ay jiiñaate am fi ay tamante ma am fi dans notre pays il ne peut pas y avoir de conflit entre le président de la République et son premier ministre xam ngeen ko mi ngi melni beureu bëre bëkk ak la lu mu metti metti kenn ay daanu président sous premier ministre de l'État, donc il ne peut pas y avoir de problème entre eux. affaire bi kay je conseil des ministres de la tegu Je combine combine conseil des ministres ku interview après ci journaux étrangers combine choses j'ose espérer que ce n'est pas un complot contre notre démocratie et que les raisons avancées, les raisons évoquées sont des raisons yohamni sinon il y aura de quoi désespérer de nos dirigeants Nyarelbi, bi y a un blocage institutionnel entre l'Assemblée et le Conseil constitutionnel

bi nga xam ni moo servir de prétexte ñu ni xuloo boobu am na ba président jël de ma ni commission d'enquête boobu gars yi fan lañ mujjee ku leen déggati lu ñu def quels sont les actes posés par cette commission d'enquête ce n'était qu'un prétexte je crois que ñun ñëpp d'accord nañ ci ce n'était qu'un prétexte pour def lii ñuy def sinon commission d'enquête bi déggatuñ ko

boo xam ni dafa relever ci autorité beneen structure pour su defee lu non dans nan la assemblée mën wooyee affaire bi naxe mbaay la woon prétexte la woon et je veux que les sénégalais se souviennent toujours que lu ñuy dal nañuy xool lan la ñuy wund wund lan la ñuy évoquer comme prétexte comme cause pour dire a ñu nax parce que l'eau la mujj mané commission d'enquête bi li lii bi les lii lépp lan la en a que le poser. qu'est-ce que la loi reportant les élections avait à voir avec une commission d'enquête parlementaire euh, pour, sur des soupçons de, corruption alors je veux que nous xolat pour comprendre gars li ñuy def lan dañuy à la limite on nous prend pour ce que nous ne sommes pas c'est moins problème aujourd'hui la proposition de loi qui a été votée on nous annonce une autre proposition de loi pour réformer le Conseil constitutionnel pour créer une cour constitutionnelle Nous avons par rapport à un conseil qui a été saisi d'un différent et d'un contentieux faut que ni chantage wala épée de mon club ñu teg seen baat su ngeen nangoo nango, c'est ça qui est inquiétant qu'on se joue ainsi de nos institutions qu'on se joue ainsi de tout ce que le Sénégal a construit lu dëgëral état ba et respecté par tous dama bëgg que ci toujours nañ koy demee xel suñ ko lié rek duñu am problème donc aujourd'hui le vrai problème c'est que le conseil constitutionnel les soupçons qui sont portés contre eux am naam rek peut-être qu'un jour daañu xam li ci be mais aujourd'hui le conseil doit continuer à faire son travail il doit connaître des recours et si nous avons fi indil incompétence Ken du nangu parce que le conseil constitutionnel a créer un précédent en 2016 Il ñëpp a ngi koy nous avons un référendum 2016 président de la République a fait ni mandat. parce que damay contextualiser qui pour nous faire bañ bi mu nee day wàññi mandam mu bind lettre demandé avis avis la laaj conseil constitutionnel conseil constitutionnel joxewul avis décision la jël mu ne président après sax muy laawale ko ci ci nekk ku fi door sa mandat nga xam ñaata lay durer mënatoo ko yokk mënatoo ko wàññi c'est moy premier enseignement bi mais deuxième enseignement bi am solo pour ñun ñi def recours conseil constitutionnel bi daan wax incompétent pour tout ce qui concerne les lois constitutionnelles joxna bopam pas pouvoir bu sur les lois constitutionnelles le moment 2016 lool la ñuy xaar 2024 donc nous avons interpellé nous interpeller Nous ñu ngi leen 2016 nous avons nous bien que et c'est ça qui nous gêne beaucoup des jurisprudences du conseil n'ont pas toujours été respectées y a des élections législatives législative sur la notion des listes complètes xam avons koy il y a eu une jurisprudence de 2001 du Conseil constitutionnel. Il y avait eu une jurisprudence de la Cour suprême. 2001, c'était une liste entre le PS et le PDS Sougen Fatliko, entre Manmi euh, et Alelo. 2022, élection, 2022, 2021, élection locale. Il y a un problème liste tout piqué le problème liste où la Cour suprême a encore réitéré interprétation ou notion liste complète et pourtant les législatif Lolo conseil bi l'amour def constance cohérence né permanence parce que ce qui est respecter donc notre premier appel une coalition Khalifa président c'est à l'endroit du conseil constitutionnel pour que cette fois-ci que nous mat li nous donne que nous matal li ñu que nous nous li ñu leen c'est-à-dire qu'il nous montre que dans ce pays nous sommes dans un état de droit et que l'institution bu mu nous donnons, lañ la dénk di en toute indépendance en tout cas nous ngi leen di fàttali seen di sénégalais robe et que ils diront le droit cette fois-ci et dire le droit c'est rejeter la proposition de loi de d'annuler la proposition de loi présentée adoptée par l'Assemblée nationale et donner raison à la requête des deux groupes de députés que nous félicitons en passant nous félicitons félicité groupe de députés l'Assemblée nationale ak députés opposition seen saint seen jëfit seen melokaan rafetna Rafetna. en tout cas nous sommes très fiers d'eux et nous sommes heureux de voir que sur l'essentiel jotee quelles que soient les différences et les divergences nous avons fait jàpp loolu en tout cas cette fois-ci c'est le conseil qui est interpellé ci li nga xamni mo meuna sauver suñu dëkk sauver suñu réew sauver sa démocratie mom moy prononcer l'annulation de la loi de la proposition de loi portant report des élections fi jëm wax ji bari na trop xamna tay ci suba yeen ñepp fu mëna ku nekk seen xel a ci li ñuy lire ak a dégg mais yooyu ay spéculation la parce que dara wóoraguñu ci mais ah faut jamais avoir raison trop tôt xam ngeen fi ma waxé dé xam ngeen limay wax xam xam la wax dama ni du loi d'amnistie rek liko ko wund ak liko lal ak liko ko mané dama ni lu leer la wax Damani, dans ce pays, malheureusement, il ne faut jamais avoir raison trop tôt ou très tôt. La de En plein jour. Nous avons un bashing de trois mois de juin à septembre Nous avons kenn parce que nous avons gëm la man dama ni 88 nous avons ñu 92, 96, 98, 2017, 2018, 2022. ni j'étais même en prison, nous avons toujours été au dialogue. Tant que l'État du Sénégal, tant que l'intérêt de la nation est en jeu, sont en jeu. pour pour xam nga doomu gileem nag mën na juddoo ci waañ wante du fa màgge du loolu day li ci kanam raw li bët gaañi ma ne bu kenn foye xelu kenn dama wax ni réew mi su wootee dialogue bi ngeen ma wax ci wax dialogue bi ci wax lu leer la dama ni man dialog lagem. gëm mais contexte bii ñu toll bala ñoo wax dialogue nañu wax d'abord

ki ko wax kenn ki ci télévision Maïmouna nour fay la ko waxee ak ñeneen ñi wax xam nga man nak euh, malheureusement je suis un bon grand yow quoi je dis les choses mané amul nekkul kenn woowuma kenn boolewuma kenn gisuma dewuma pale waxuma téléphone ci report que ce soit clair net et précis nit ñi suñu bëggee xam nañuy laajte moo gën ñu sosal nit ñi man dama ni la xam nga wax naa ko fii ci émission Assane Gueye laa ko ji ko 2000 xaw ma lan su ngeen koy fàttaliku dama ni su ma waree dem palais au nom de l' intérêt général du ma làqatu damay dem bëccëg ndara kàmm dem ak Macky Sall c' est le président de la République su ma fa génnee je dirai aux Sénégalais j'ai été répondre à une invitation du président de la République lii lañ fa wax moi je suis un républicain, je ne connais que l'État. Macky Sall peut avoir tous les défauts que vous voulez, c'est le président de l'Afrique, jusqu'au 2 avril. Jusqu'au 2 avril, vous signe un Rengafalo. nga te un alors donc yoyou, bu ñu koy nous ci suñuy nañuy principe de lal suñuy dialogue bi pour l'instant nous talaguñ ko ñun président Ligne de contre le et on continue à soutenir toutes les initiatives c'est pourquoi nous sommes dans la plateforme F25 nous sommes dans la plateforme M24 et nous soutenons toutes les initiatives de la société civile dans ce sens-là nous sommes partie prenante Cher Gueye dans le F25 euh, euh, le président Omar Sissé est dans le F24 et nous sommes, moi je suis dans le groupe des candidats et on participe à tout. Je fais toutes ces pressions pour que nul n'en ignore. Damani, ça fait 25 ans, 24 ans que je suis dans l'opposition. 2000 ba léegi bi PS opposition mandat je suis am opposition lu fi jar daw bay donc je veux que nous, que yenn yi yenn saa yi ñuy waxante tuuti dëgg vous me connaissez pas parlant ainsi mais yenn saa yi ma dellu Grand Yoff ga ma dëkk mel na war mel donc je veux que les gens comprennent que Fi amuñu Luni ñuy laax amuñu lu ñuy nëbb ñun lu def day leer si je devais voir le président Macky Sall je dirais que je je l'ai vu ou je vais le voir donc kooku de bëgg ñu weesu les xew li jot report bii report et ce que la communauté internationale fait est un soutien à toutes les initiatives et nous sommes solidaires de toutes les initiatives de toutes les composantes politiques et de la société civile. C'est pourquoi je réitère l'invitation à tous les membres de la coalition nous sommes à la marche de demain ou à la manifestation de demain pour qu'elle soit une réussite warul le conseil constitutionnel devra s'assumer le conseil constitutionnel devra casser cette proposition de loi parce que on li d'accord le 2 avril le président Macky Sall ne sera plus président de la République du Sénégal ce mooy dëgg loolu taxi. Qu'est-ce kenn mënu ko changer par une loi même si celle-ci était constitutionnelle dégg c'est une loi transitoire Yo, xel mënu ko nangu xel mënu nangu donc le Sénégal Mboki Afrique Mboki diaspora suñu au c'est dans une situation très délicate c'est une situation périlleuse pour son devenir la cohésion nationale est interpellée notre situation de vitrine démocratique n'est pas des meilleures cette vitrine est craquelée tous nos amis dans le monde entier nous appellent ils sont tous inquiets. Est-ce que nous sommes dans le même Sénégal que nous avons connu ces 10, 20 dernières années Il nous appartient à chacun de nous de faire en sorte que véritablement nous puissions dans, une, dans un sursaut national, dans un sursaut d'orgueil, dans un sursaut démocratique, amener le pouvoir à renoncer à ce projet funeste à la démocratie ou pour la démocratie pour que les élections aient lieu à date échue. Nous sommes, nous avons toujours été pour les élections inclusives. Nous n'avons pas changé d'avis. Nous ne changerons d'avis. Nous ne changerons jamais d'avis. ne gars mais pas comme ça mais il faut que l'élection soit inclusive nous l'avons dit au dialogue nous le réitérons aujourd'hui ici mais ne pas pas dans le cadre des respects de la Constitution des lois et des textes de